Alors justement, votre association a organisé une assemblée générale extraordinaire euh, hier. Pouvez-vous nous dire euh, les conclusions euh, auxquelles vous êtes parvenu au terme des travaux de cette rencontre Bon, là, il faut dire d'abord que nous avons eu le toilettage des textes. nous avons essayé en tout cas d'adapter les textes aux réalités que nous vivons ensuite, euh, nous sommes partis à la, au renouvellement du bureau, d'où euh, bon, placé à la tête de cette association des anciens footballeurs du Niger. vous avez été élu donc euh, Oui, avec un consensus euh, à l'unanimité. Donc l'anima, tout le bureau a été, a, été placé d'un consensus à, à l'unanimité. Vous succédez à qui je succède à M. Sanda Diassé, qui était le président de l'association depuis 2009. moi, j'étais le deuxième vice-président. Vous avez un mandat de combien d'années euh, On a un mandat de, de 4 ans. 4 ans, nous sommes fixés plusieurs objectifs que nous allons essayer, en tout cas, d'atteindre avec euh, la collaboration de mes, collègues. Justement, oui. quels sont les grands défis que vous comptez relever euh, pendant votre mandat de 4 ans Bon, d'abord, il faut dire que cette Assemblée générale-là, comme je parler de consensus, il a, euh, nous saluons d'abord la présence pratiquement de toutes les générations. Toutes les générations, en tout cas, sont, présentées, sont, sont représentées euh, au sein de ce bureau-là. Et je crois que c'est déjà ça. Notre deuxième objectif, c'est amener tout ancien joueur international qui aura arrêté sa carrière de, euh, footballeur d'élite, en tout cas à, venir s'investir dans le cadre du football, que ce soit dirigeant, euh, euh, encadreur, ou en tout cas il faudrait que, parce que nous avons constaté qu'à un moment, même si les gens abandonnent le football, même si les, internationaux quittent la pratique, après ils tournent le dos carrément à la discipline. Nous allons essayer de les faire venir et s'entraider entre nous. Nous avons constaté également qu'il y a beaucoup d'anciens footballeurs, après, après leur carrière de, euh, footballeur, vraiment, ils tombent, dans, des situations euh, vraiment très, très critiques. Nous allons essayer, en tout cas, de venir en aide à, à cela. Et si besoin il y a, pourquoi pas ne, ne, pas aider la Fédération nigérienne de football. Vous avez parlé au début de votre intervention de du toilettage euh, de vos tests, est-ce qu'il y a lieu de signaler qu'il y a eu des modifications Quels sont les changements, s'il y a eu, euh, qui sont intervenus au niveau des tests euh, de votre association Bon, vous savez, maintenant, ce sont des exigences de la FIFA. avant, c'était pratiquement l'association des anciens joueurs tout court. Bon, maintenant, cette association devient un groupement, un groupement d'intérêt. Donc, euh, au même titre que les clubs, au même titre que les ligues, avec un droit de vote. Donc, euh, euh, pour, que ceci soit considéré au niveau de la, FIFA, la FIFA ne reconnaît que ceux qui ont pratiqué sa compétition. Donc, c'est seulement les, ces internationaux-là. C'est pourquoi ça s'est limité juste aux internationaux. Pour que, la, FIFA prenne en compte notre association et que notre association s'accroche à la, à la fédération nigérienne. Parce que la FIFA euh, exige que, ce soit ceux qui ont pratiqué euh, au moins une de ces compétitions. Pour terminer, euh, quelle va être votre contribution au rayonnement du football nigérien en tant qu'ancien footballeur international et à au niveau de votre association Les apports seront multiples. Comme je l'ai dit, ne serait-ce qu'amener tous les, anciens footballeurs internationaux à s'investir dans le football, je crois que c'est déjà euh, quelque chose de gagné. maintenant, si en collaboration avec la Fédération nigérienne de football, nous pouvons réfléchir pour euh, être écoutés, pour qu'ensemble nous, œuvrons dans le même sens, je crois que le football nigérien aura beaucoup gagné. Nous